waa département de Thiès d'accord nañu ci tame Mais yokk ci ma ni tane bii li tax ñu d'accord président Tanor secrétaire général du parti Social. président Senghor président Abdou Diouf le président Ousmane Tanor Dieng ak rafet Monsieur le Président, votre courage, votre engagement, votre détermination à accompagner le président Macky Sall dans le Bénin nous a touchés au plus profond de nous-mêmes. président Tanor dañoo nous dañoo kontaan ndax nous le président ne s'est pas trompé la preuve da que nous sommes d'accord dans le plus lointain village nous ci d'accord dans les cases dans les maisons tout le monde est d'accord sur le choix parce que c'est le meilleur choix vous avez accepté d'être insulté vous avez accepté tous les sabotages mais nous vous croyons capable de le faire parce que vous avez une formation de vrais républicains. Monsieur le président canadien, Dieng di président Abdou Diouf dénkoon le président Senghor waxoon fait qu'on a l'union monsieur le président vous êtes un vrai républicain nous sommes fiers de vous. nous vous accueillons avec le plus grand plaisir et vous disons nous ferons tout pour que le rôle à vous dévolu, qui consiste à faire en sorte que le parrainage à atteigne ce que vous nous direz tantôt, nous ferons tout pour que vous ne soyez pas déçus et pour que le président de la République aussi ne soit pas déçu. Parti Socialiste, je m'adresse à vous. gannaaw bi mu nangoo ànd ak président Macky Sall ñun ñi dañ ci gën a am mbégte mais dama leen di laaj xam nga booy ànd ak nit da ngay wax li tax nga ànd ak moom Macky Sall lu tax mu jar a ànd ak ah ngor gi bare na de Macky Sall mi ngi ànd ak benn moom ca 2012 ba ci 2018 ku ko mos a def pour Macky Sall jàmbaar ma ni gars yi Macky Sall est-ce que na Sénégal ah man de defal na ma ay piste te waa Ngoundiane na ndox ngi ah waa Macky Sall kon liggéey na ba kon monsieur le président ñu ngi am mbégte tey di la teeru fii ci biir département de Thiès c'est le Benno Bokk Yaakaar boo xoolee fii kanam fay fi gis

président en 2012 bi président di demaat yàqul ci dara ñoom ñëpp ñu ngi fi jàpp ci liggéey maa ngi félicité ñëpp ñi nga xam ni liggéey nañu moo xam maire la moo xam responsable moo xam DG DG Sirédia mais sincère mooy ndax ñoo bokk jubluwaay Siré Dia sopp na président Macky Sall mu jaar yoon bi Augustin sopp na président Macky mu jaar yoon bi keneen noonu keneen noonu ah comme objectif bi benn la mooy Macky mais foofu la daje la république c'est l'église du Sénégal Nous, l'église du monde. L'église du Sénégal, nous Sénégal nous avons tax a du Sénégal. Si ci Sénégal ci lañ a qu'à arriver donc tous ensemble DGO au monsieur le président je m'arrête là mais pour dire que nous sommes confiants à Thiès nous sommes confiants parce que nous faisons partie des plus grands viviers électoraux et en cela nous avons un rôle particulier Vous savez, nous dañ ci def comme l'équipe nationale de football dem ba c'est la victoire sera au rendez-vous maa ngi di